Ce que je l'ai engagé et je ne regrette rien de ce que je Sauf que je vais faire rectificatif. D'abord, il y a des propos de Khalifa ça. Il faut 100 000, il y a 100 000, 100 000, il faut faire 100 règles. 100 témoins, il faut faire 100 000. Il faut que communiquer parce que les politiciens ne savent pas ce qu'ils communiquer pour voir qu'il y a une ampleur de la nous sans la Je n'ai pas dit que nous allons pour tal les familles de gaz. Moi, j'ai dit que Barthélemy Diaz n'a pas eu une sorte de violence Parce que la violence, yoyu, man ne yobé ni ni musibo. Fi 100 000 bengen, 100 000 palen, 100 000 niaïens, 100 000 djoben, 100 000 sal, yoyo am ci 100 000 tourés, 100 000 djol, 100 000 Mais sans Diaz nous mënu accepter de nous tal parce que nous, suñu tàkkoon du am significatif par rapport la population du Sénégal la guerre comme à la guerre